Nous sommes vendredi 18 octobre 2024. Chères auditrices et auditeurs, bienvenue à ce dernier rendez-vous de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos 52 radios partenaires répartis dans toutes les 8 régions du Niger. Au micro, je suis Ali Moukela alias Seno et avec moi Habiba Ahmed pour la présentation. La technique est assurée par Amina Hassan et à l'édition, nous avons Moussa Hassan. Bonjour Habiba, comment vas-tu Ça va bien, Seno et toi Tranquille de mon côté, Dieu merci. Alors, qu'avons-nous au programme ce matin comme d'habitude, Habiba, nous commençons cette édition avec le flash d'information et comme invité, nous recevons Hassanier Mohamed Ibrahim, une jeune réalisatrice. Avec elle, nous parlerons bien évidemment de son film documentaire intitulé Takala Koyo. Voilà les gardiens du fleuve qu'elle a réalisé sur euh, les femmes qui euh, transportent du sable sur les épaules pour euh, le vendre dans la ville de Niamey. Toujours dans ces menus, ces noms, en plus de notre playlist 100% nigérienne qui sera servie à nos auditeurs, d'autres rubriques qui feront le charme de cette édition interviendront, notamment la revue de la presse présentée chaque vendredi, les lotis, la rubrique hebdomadaire, sans oublier l'écho des régions qui nous amène aujourd'hui dans les départements de Koni, région de Tawa. Alors restez câblés pour ne pas rater une miette du programme. Sans trop tarder, voici le flash avec euh, Rukayatou Abdraman. Bonjour Rukaya. Bonjour Seno, bonjour Habiba. Bonjour Rukaya. Alors pour le flash d'aujourd'hui, toute construction de bâtiments à Niamey est désormais soumise à l'obtention préalable d'un permis de construire. Ainsi aussi, euh, conformément à la loi 2017-20 du 12 avril 2017 et son décret d'application numéro 302 du 27 avril 2017, quiconque désire entreprendre une, une construction à usage d'habitation ou tout autre type d'usage doit au préalable se procurer d'un permis de construire construction, a annoncé l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubacar Soumana Garanke, hier en président la cérémonie de reprise des travaux de la commission en charge des permis de construction. Cette commission, selon le DGA des services techniques municipaux, est accompagnée d'une brigade de contrôle et elle a pour mission de vérifier la conformité des autorisations délivrées, mais aussi la conformité de l'implantation des bâtiments avec les documents déposés lors de l'obtention de permis de construire. Elle a également pour mission de s'assurer que toutes les constructions répondent aux normes. Aussi, en cas de refus de se procurer euh, un permis de construction, des sanctions sont prévues par la loi de 2017, a averti le responsable des services techniques de la municipalité qui a appelé tous ceux qui sont en train de construire ou qui veulent construire de bien vouloir prendre attache avec les services compétents de la ville de Niamey pour pouvoir se mettre en règle. Par conséquent, a-t-il indiqué, la commission peut ordonner, selon la loi, à l'arrêt immédiat des travaux tout en appelant les propriétaires à un sens de responsabilité en s'inscrivant dans une dynamique, celle de se procurer le permis de construction pour leur chantier en cours ou déjà fini. Ensuite, l'ambassade d'Italie au Niger a célébré hier 17 octobre 2024 le 40e anniversaire de la coopération italo-nigérienne à travers le projet intégré Keita au Grand Hôtel de Niamey. À l'issue de cette journée commémorative de la coopération bilatérale entre la République du Niger et l'Italie, une conférence a été organisée avec euh, au centre des débats le projet intégré Keita sous le thème central 40 ans après Keita. Le projet Keta est un programme de développement de l'ADER Duki Magia initié par l'État italien dans les années 80 pour intervenir dans le secteur de l'environnement et le développement durable. Le représentant du premier ministre nigérien, Bakaria Sangare, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, a salué l'action, les actions entreprises par ce projet de l'Italie en réitérant la disponibilité du gouvernement nigérien pour accompagner cette initiative initiative. Enfin, ouverture hier des travaux de la dixième session ordinaire de la Commission nationale de l'eau de l'assainissement présidée par le ministre de l'hydraulique, le colonel Meizama Abdoulaye. Les participants discuteront de l'état de mise en œuvre des résolutions de la précédente session et du plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau et les perspectives. À cela s'ajoute la présentation des résultats de l'étude d'élaboration des projets de révision des textes organisationnels de mise en œuvre du plan d'action au Niger et du projet de révision du Code de l'eau au Niger. Et c'est tout pour le flash d'information. Merci Ruki. Comme annoncé en début de l'émission ce matin, nous recevons Hassanie Mohamed Ibrahim, une jeune, réalisatrice. Bonjour Hassanie. Bonjour. Merci de nous avoir honorés de votre présence dans cette émission. Avec vous, nous parlerons de ce film documentaire les gardiens du fleuve. Effectivement, intitulé Takalokoyo, hein, qu'elle a réalisé bien évidemment sur euh, les femmes qui transportent euh, du sable pour vendre dans la ville de Niamey. Mais avant d'attaquer nos échanges avec Hassanié, écoutons euh, d'abord, chers auditeurs, cette chanson de l'artiste Nana Aloko qui fait un carton actuellement sur les zones de la capitale. Voici pour vous les titres Mata Moussa Ijabi. muke mu fasa tsirarci mu mu ɗauka mu kasa magana nake yi ba na Mata Moussa Hijabi, un morceau envoûtant de la jeune artiste nigérienne Nana Aloko qui marque sa transition du Dandali Soyeya au rap. Euh, dans ce titre, elle utilise des rimes percutantes pour adresser un message fort aux femmes, hein, les incitant bien évidemment à porter le hijab et à valoriser leur modestie. Nana Aloko, à travers son style rap engagé, sensibilise sur l'importance de l'identité culturelle et religieuse. Ce titre est un bel exemple de son évolution artistique et de son engagement pour des causes sociales qui touchent la société nigérienne, particulièrement les jeunes femmes. Voilà, c'était là le titre Mata Hijabi de l'artiste Nana Aloko. À présent, nous sommes à vous, Hassani. Rebonjour. Bonjour. Alors, avez-vous aimé cette chanson de Nana Aloko Oui. <laughs> ok. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit vers la réalisation de ce film documentaire En 2022, j'ai obtenu ma licence en journalisme presse écrite à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC, qui est aujourd'hui ESCOM. J'ai été journaliste euh, pigiste à Amina Magazine. Je m'intéressais au sujet des jeunes femmes qui évoluent dans le cinéma. J'ai effectué aussi un stage au Centre national de la cinématographie du Niger. Et mon goût pour le cinéma et mon goût pour le cinéma a pris une autre tournure vers la critique euh, cinématographique, d'où j'ai été sélectionnée à Talent Dakar pour suivre une formation en critique cinématographique au Sénégal. J'ai aussi, j'ai aussi fait une formation lors de la semaine du cinéma en production et dès là, je me suis dit pourquoi pas réaliser un film c'est de là que tout est parti. Oui. Ah, vous avez... Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré euh, à choisir le sujet des femmes qui transportent du sable pour vendre euh, à pour euh, ce documentaire, pour ce film documentaire Bon, d'abord au Tchad, je voyais peu de femmes faire le travail de Takalakoyo et je n'ai pas eu la chance de m'approcher de ces femmes. Et là, je rencontre à Niamey ces femmes qui font ce travail et elles sont encore plus nombreuses. Alors, euh, cette vision a directement attiré mon attention et je me suis dit pourquoi pas faire un film sur ces femmes transporteuses du sable qui se battent avec dignité et courage et aussi qui sont invisibles pour beaucoup de personnes. Voilà, quel défi avez-vous rencontré lors du tournage de ce film documentaire c'était vraiment le problème de langue parce que ces femmes, elles parlaient un un peu compliqué pour moi, surtout au niveau de la prononciation. Et c'est aussi avec elles j'ai appris qu'on ne dit pas Tagala Koyo, mais on dit Takala. Ok. Parce que généralement, les gens les appellent tagala koyo ah, moi-même. <laughs> Exactement. Mais c'est plutôt Koyo ok. Alors, comment avez-vous surmonté ces défis Bon, malgré le problème de langue, je ne me suis pas découragée et avec ça, je me suis débrouillée pour faire passer la communication entre nous. Alors, pour, comment avez-vous approché ces, ces, femmes pour les convaincre de partager leur quotidien et de participer à votre film Au début, ça n'a pas été facile parce qu'elles ne voulaient pas. Elles me disaient que beaucoup viennent les filmer, mmh. elles ne voient jamais leurs images et elles ne savent même pas on fait quoi avec ces images Donc elles ont peur. Mais avec la persévérance, j'ai gagné leur confiance et dans la journée, je peux venir trois à quatre fois. On rigole, on cause, deux fois on mange même ensemble. Et c'est dès là le feeling est passé entre nous. La réalisation de ce film vous a pris combien de temps 40 jours. 40 jours plus d'un mois. <laughs> C'est beaucoup. Alors, quel message euh, souhaitez-vous transmettre à travers ce film Je veux vraiment que le regard des autres vis-à-vis de ces femmes change, qu'on les respecte. Parce que, parce que ces femmes, elles nous rappellent que même dans les moments difficiles, il y a toujours un moyen de contribuer à un avenir meilleur. Ces films est aussi un hommage à toutes les femmes qui, jour après jour, travaillent avec dignité et courage, souvent sans reconnaissance. Ok, d'accord. Euh, avant de, poursuivre, on va marquer une petite pause pour euh, écouter de la musique euh, en attendant l'arrivée de la revue de la presse, parce que la présentatrice n'est pas hmm, encore prête. Donc, euh, on va aller euh, avec euh, de la musique. Hein. On va déguster de la musique en attendant, avant de continuer nos échanges, et cette fois-ci, on va écouter la chanson de. De Irkoi. Irkoi Mirnosai, voilà, c'est le titre. C'est en allemand. c'est très difficile à prononcer. Cher auditeur, auditeurs, Il de Johnny Loga est une chanson emblématique de la musique traditionnelle nigérienne mettant en valeur la richesse des instruments locaux. Euh, oui, la mélodie est tissée de sonorités authentiques issues du molo et de tam-tam percussive, voilà, créant un paysage sonore vibrant. Cette œuvre illustre la vitalité et la diversité du patrimoine musical du Niger, offrant un lien intime avec le passé tout enrichissant le présent. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là bien évidemment le titre Irkwede Mir no Saye. Nous allons poursuivre avec euh, la revue de la presse. Et voilà, nous sommes avec euh, Rafika Ataher. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, inondation au Niger à la date du 15 octobre, près de 1,5 million de personnes sinistrées, dont 1,3 million d'assistés dans les huit régions, sur fonds propres de l'État, écrit l'ANP hier le 17 octobre. En effet, Habiba, la neuvième réunion du Comité national de prévention et de gestion des inondations tenue le mercredi 16 octobre a statuer sur la situation des sinistrés, les appuis aux sinistrés et les préparatifs de la rentrée scolaire. Ainsi, pour mémoire, à la date du 16 octobre, on dénombre 1 447 525 personnes sinistrées. Dans le cadre de l'assistance de ces sinistrés, le dispositif national de prévention et de gestion de crise alimentaire à travers la CCA a appuyé plus de 190 000 ménages totalisant près de 1 400 000 personnes sinistrées dans les huit régions, soit environ 97% de la cible. Les 15e et 16e vagues d'appui sont en cours de traitement par l'OPVN, indique le communiqué. Concernant les produits non alimentaires, il a été distribué 2865 moustiquaires, 2265 couvertures, entre autres, et 7201 pagnes, etc. Pour ce qui est de la rentrée scolaire, a indiqué le communiqué, les préparatifs se poursuivent activement. Les fournitures scolaires sont en cours d'acheminement dans les régions et les cadres déconcentrés autour des gouverneurs des régions s'affairent pour une rentrée conformément au calendrier établi. Niamey rebaptise les rues et monuments portant des noms français selon le site Niamey et les deux jours. La plupart de nos avenues, boulevards, rues portent des noms qui rappellent tout simplement les souffrances et les brimades subies par notre peuple par l'épreuve de la colonisation, a lancé le 15 octobre à Niamey le colonel-major Abdraman Amadou, ministre de la Jeunesse et porte-parole du CNSP. Ainsi, l'avenue Charles de Gaulle est désormais renommée avenue Djibobakari à l'honneur de cette figure politique nigérienne. Les monuments dédiés aux victimes des Premières et Secondes Guerres mondiales devient Boubandei Batama ou Place à nos morts en langue Il est rendu désormais hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la colonisation à nos jours. Le portail du commandant et explorateur français Parfait Louis Monteuil est remplacé par une plaque à l'effigie de Thomas Sankara. La place de la francophonie a été baptisée place de l'Alliance des États du Sahel. Désormais, nous allons faire honneur à nos ancêtres, a résumé le général Assouman Abdou le gouverneur de Niamey. Rafika, le Niger interdit l'exportation de certaines céréales sauf vers les pays de l'AS, écrit l'ANP. Effectivement, Habiba, il ressort d'un communiqué du secrétariat général du gouvernement rendu public mercredi 16 octobre que le Niger a décidé de l'interdiction de l'exportation des céréales telles que le riz padi, le riz blanchi, le mil, le sorgho, le niébé et le maïs. C'est dans le souci de protéger l'approvisionnement du marché intérieur afin de rendre accessibles les denrées de grande consommation sur les marchés que cette décision a été prise, rapporte le communiqué qui précise que cette cette interdiction ne s'applique pas aux exportations à destination des États membres de l'AES, à savoir le Mali et le Burkina Faso. Selon toujours ce communiqué, des mesures idoines sont envisagées par le gouvernement afin de permettre aux producteurs de bénéficier d'une rémunération équitable de leur production. Aussi, le CNSP a d'ores et déjà instruit les autorités compétentes en ce qui concerne de veiller au respect strict de cette mesure, indique le communiqué. Par ailleurs, selon la même source, les autorités nigériennes ont revu à la baisse le 15 octobre le prix de la tonne de ciment. Au terme de l'ordonnance, la tonne du ciment sera désormais vendue à 55 000 francs CFA à Niamey, 56 000 francs CFA à Dosso, 51 000 francs CFA à Tawa, 57 000 à Maradi, 58 000 à Zender et 59 000 francs CFA à Difa, à Gadez et à L'objectif visé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est de permettre ainsi aux personnes aux revenus moyens de s'offrir un habitat en matériaux définitifs, surtout après les inondations. Et c'est tout pour la revue de presse de cette semaine. Merci Refika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, nous allons poursuivre nos échanges avec notre invité Hassani. Ça va Hassani Ça va bien. Dites-nous quelle a été la réaction du public lors de première diffusion de ce film documentaire. Le public était ému. Il y avait beaucoup d'émotions et des félicitations. Et je rappelle que ma première projection, je l'ai faite au rond-point Liberté chez les femmes Koyo pour leur montrer vraiment le travail que je fais sur elles. Elles étaient vraiment contentes, fières et reconnaissantes à voir ce film. D'accord. Alors, avez-vous eu un financement pour euh, la réalisation de ce film Je repose la question. <laughs> je disais tantôt, avez-vous euh, eu un financement pour euh, la réalisation de ce film Je n'ai pas... Ok, vous n'avez pas eu de financement c'est ce que vous voulez dire Non, on a, je n'ai pas sollicité de l'aide parce qu'il fallait démontrer d'abord quelque chose. Mhm. Et on avait mis notre temps, notre énergie et nos matériels. Mhm. Donc c'était sur fond propre Oui. Alors, Hassani, quels sont vos projets futurs en tant que réalisatrice Je voudrais faire euh, un long métrage avec les mêmes personnages de mon film. Je voudrais aller au-delà de leur vie à Niamey, les suivre dans leur village pour voir comment elles vivent après un long séjour en ville et comment vraiment elles transmettent et initient les plus jeunes dans ce métier. Donc, euh, je souhaite aussi euh, développer mes compétences et acquérir des nouvelles expériences dans ce domaine. Une dernière question avant, avant de boucler. Euh, quel impact euh, espérez-vous que ce documentaire ait euh, sur la perception et les conditions de vie des femmes qui exercent cette activité à Niamey Mon intention était vraiment de montrer des femmes dignes et respectables. Donc, je souhaite vraiment qu'elles soient reconnues comme des travailleuses et que la société leur doit énormément de respect. J'aimerais que le décideur apporte euh, un soutien concret à ces femmes. C'est pourquoi d'ailleurs je fais un clin d'œil aux chercheurs pour qu'ils fassent euh, le premier pas. Aussi à une époque où nous le voyons, où certains Nigérians ternissent l'image de notre pays avec euh, la mendicité. Je veux aussi montrer une autre facette de la femme nigérienne, pauvre certes, mais digne et refusant de tendre la main. Merci infiniment Hassani Mohamed et Ibrahim euh, d'avoir répondu présente à notre invitation. Euh, nous vous souhaitons une excellente journée et bon vent dans votre carrière de réalisatrice. Merci, Merci Hassani. Voilà, on fait une pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, euh, nous poursuivons euh, cette émission. Si vous venez de prendre l'émission en cours, euh, ne vous en faites pas, vous pouvez la réécouter dans son équipe intégralité sur notre site web le www.studiokalangu.org. Alors, poursuivons avec la rubrique hebdomadaire entrepreneuriat. Oui, c'est nous. Et la rubrique entrepreneuriat de ce matin parle de l'entreprise Biosanté Bafoné de Dosso. En effet, la participation des femmes au développement économique est sans doute une source de croissance et d'innovation dans les pays en voie de développement. Au Niger, nous avons de plus en plus des femmes chefs d'entreprise euh, non seulement euh, dans le secteur commercial traditionnel, mais dans d'autres domaines aussi. Euh, aujourd'hui, elles sont nombreuses à se lancer dans les affaires avec beaucoup d'envie et de détermination pour changer leur vie et participer à l'effort de développement du pays. Entreprise Biosanté Bafouné de Dosso a été créée en 2022. Issoufou Midou Hajaratou, titulaire d'un master en nutrition humaine, est la chef de l'entreprise Biosanté Bafouné à Dosso. Elle est interrogée par Nana Hadiza Hassan. Carbio Santé Bafne, c'est une entreprise qui évolue dans le domaine de la transformation agroalimentaire nutritionnelle à Dosso. Au début, on a commencé uniquement avec la prestation des services de stage du diabète, du pistage de l'hypertension artérielle et aussi suivi. Donc, en ce qui concerne le domaine de la transformation agroalimentaire, on fait euh, le, chips enrichi en moringa, le chips de patates douces. Le chips, c'est la marque Natina, mon naturel et Ina là en Hausa. Mon naturel ça veut dire qui m'appartient et aussi c'est bio, c'est local. Tous les produits que nous transformons ce sont des produits locaux et aussi la matière finie qu'on met en vente c'est 100% bio. En dehors du chips, de la patate douce, on a l'arôme hanna, arôme naturel bio hanna. Donc euh, ça c'est une décoction d'épices frais et secs. On ajoute le bouillon de poulet. Donc ça, on a mis ça en pour diminuer pour moi la consommation des arômes artificiels qui sont actuellement la source de beaucoup de maladies cancérigènes et des maladies métaboliques. Et ça aussi, c'est une décoction. Il y a moringa, menthe et des trucs de feuilles de gecka et autres. Là, ça traite vraiment tout ce qui est problème rénaux. Tout début est difficile. On a commencé depuis 2022. On rencontre beaucoup de difficultés parce que tout ce qu'on fait, ça vient de nos propres fonds. Parce que nous, actuellement, je vous dis notre problème, on n'a pas la disponibilité des machines. On est là en train de chercher dans quelle mesure on doit cotiser, acheter des... Parce que les machines dont nous allons besoin sont excessivement chères. Ou bien chercher des partenaires, donner des subventions sans suivi. L'appel que je lance, c'est d'appuyer en, entrepreneuriat féminin. Et qui dit appuie, moi, toujours j'ai dit c'est pas seulement financier. Il y a l'appui technique qu'on peut donner et il y a l'appui en matériel aussi. Si notre État même s'engage à appuyer les jeunes et surtout les jeunes femmes entrepreneurs et aussi ils font le suivi, ils mettent à la disposition de ces femmes-là toutes les nécessités dont elles ont besoin pour vraiment créer, bâtir des grandes entreprises, je pense que le pays peut avancer. On n'aura même pas besoin d'importer des produits. Par exemple, nous, on fait le chips. On vend à 100 francs, 200, 250, 500 jusqu'à 1000 francs. Maintenant, il y a ceux qui peuvent acheter des chips à 2500 juste. Le chips, il y a d'autres qui peuvent à 500, c'est juste une petite quantité. Donc, si ici, nous arrivons à produire des chips bio 100% et en grande quantité, donc nous ne serons pas en rupture. Là, je pense que le pays va se développer. Voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter euh, la rubrique entrepreneuriat, direction connue pour l'écho des régions. Eh oui, c'est nous. Dans l'écho des régions d'aujourd'hui, nous allons à la découverte de Hajara, une habitante vivant dans le village de Masalata, situé dans la commune de Burnukoni, région de Tawa. Hajara est une pratiquante de Tauri qui veut dire invulnérable un métier traditionnel qu'elle exerce en tant que femme invincible à l'arme blanche. Elle a hérité de cette discipline de sa famille de forgerons. Écoutons le reportage de Haroun Ibrahim. Ana su kai yan tauri mu tauri ga so mu tauri ya zame ma gado na taurin gidan mu gada dena ni da na gari ya duk gadi tauri ni tauri ga so an haifi ta a kauyen masallata da ke cikin gundumar garin birnin Kwanne tun lokacin tana matashiyar ta Hajara yar tauri ta rungumi harkar tauri inda ta gaje ta a gun ma'aifin nata ta yi aure tana da shekaru goma sha hudu hajjara yar tauri tana da 'ya'ya guda tara mata takwas namiji guda ta shahara a garin masallata da gundumar garin birnin Kwanne da kewaye. Yuhu! ni gadon tauri ni da abin da ya sani gadon tauri ubana tun shi a sarmayi bai san shi dan ma wando ba da walki shi ka aiki duk inda ya ta bangun duniya daga walki sai walki sai da Allah ya aushe aron ne da walki Da ko ka san ni ni gadon tauri ina hita wani namiji ya iya buga takobi haka da ka buga takobi wani namiji ya iya lausa kafa haka da ka lausa kafa yalla ko ta kamar da ni kai na wani namiji bai iya ta ba Hajara yar tauri ta yi bayani akan irin martabobin da ke gare su wanda suke wa musamman ma idan suka je gurin wasar yan tauri wata martaba yanzu kace kalle maka takobi yanzu shi a kallewa eh. in ya tashe ta maka jini shi a hisuwa dan gado abin mu mun kai ga takobi kuma yanzu in buga kuwa ya gaji cika maka ita da ruwa wasa tauri ko ina ta zo ina zuwa ni tauri tum ne abdurwa ta ni ci tauri na har an ka wanke ni sai ni shekara goma sha hudu ni wallahi ban aiho ba in ba masalata ban aiho ba da akan tsananin taurin da ni ce yi min yawa ga jiki ni abin da gariya ni ruwani na tara dana goma tawaye atun hwaye goma jadi shi daya gade ni da shi an namiji dole shi bi ni shi kuma isufu ne ga hajjara 'yar taure ya zayyana abinda da yasa suka rungumi harkar taure a matsayin shi na matashi. To abin da yasa ni rungume ta sabida ya zamanto al'ada ta kuma abin ya zamanto kaga uwayenka suna yi kakakin nan ka suna yi kenan dole na ka rungume ta kuma sabida mu kare kanmu Allah ya kare mu. Dan yau da ya zamanto duk wanda ga an ka ce maka ya guji gadon gidansu to sai an samu mistake dan sabida shi gado abin doka na kuma gado ba abin gudu na ba. Hajjara 'yar taure ta kara da cewa ba komai yasa suka rungumi harkar taure ba sai dan ya zama zama musu gado ne da kuma kariyar jiki. Mu taurin mu ba na samu kuɗi na ba mu samu tsarin jikin mu na. Sabila al'adar da ma'aihin ka yan mutu ka gani da ita kai ko dole ka ɗauki abin. Da haka na mu ko mun karin kuma al'adar. Dan gado abin mu mun kai. Hajara yar gado ce wacce ta fi yar naga da Hajara yar taure ta shahara ta lakantu a bangaren harkar wasannin taure a cikin ƙauyen masalata da birnin kunne da kewaye. Yuhu! Ni adiyar su ba gudu buzu. Ba gudu buzu ya dangali ya huta ni adiyar Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Et maintenant, place au sport avec euh, Grouza Hassimi. Bonjour Grouza. Bonjour Biba, bonjour c'est nous. Bonjour. Bonjour. Alors Gourouza, le tournoi qualificatif pour la Cannes Junior IFOA BU20 a démarré hier jeudi à Lomé au Togo. Oui, le match d'ouverture a mis aux prises le MENA du Niger et les éperviers du Togo. Le Niger a tenu en échec le Togo sur ses installations car en ouvrant euh, le le score à la 15e minute de jeu par l'entremise de Salissou Tanja. Niger 1, Togo 0 jusqu'à la mi-temps. À la reprise, les éperviers égalisent à la 52e minute de jeu. À la 55e minute de la rencontre, le MENA aggrave la partie. Les Togolais sont encore revenus au score à la 113e minute suite à un relâchement des jeunes Nigériens. Deux buts partout, voilà le score final de la rencontre Togo Niger. Gourouza, nous allons maintenant parler du football féminin au Niger. Oui, Abiba, au Niger, jusqu'à présent, le football féminin n'est pas encore développé, malgré les efforts de la FENIFOOT. Le pays dispose des équipes nationales dans toutes les catégories et qui participent à des compétitions internationales. Nous nous sommes entretenus en exclusivité avec l'entraîneur de l'équipe nationale féminine Meina U20. Son nom, Hapsatou Rabo Mato, elle est à la tête de cette équipe nationale depuis 2021. Elle a une licence B de la CAF. Elle nous parle de la situation du foot féminin au Niger. Nous l'écoutons. en ce qui concerne le football féminin, on peut dire que eh, ça avance. Ça avance du moment où on a les trois catégories que la, CAF exige. Eh, les U17, les U20 et les seniors. Et toutes ces catégories-là sont euh, périodiquement engagés dans les compétitions euh, de la CAF et de la FIFA. Donc, euh, c'est pour vous dire que il y a une nette amélioration parce qu'on a des clubs qui se sont ajoutés à ceux qui existent déjà, des centres, des centres féminins qui sont là, et dans les régions. Et je pense que pratiquement, à part Dosso où ça traîne un peu et Tilaberi, et toutes les régions ont une équipe, au minimum une ou deux équipes qui, qui est là. Donc c'est pour vous dire que vraiment il y a du progrès et ça va aller. on sait que le Niger a participé à plusieurs compétitions internationales dans la sous-région et que euh, nos filles ont un peu traîné. pourquoi oui, vous savez, c'est comme je l'ai dit, et toutes les équipes qu'on a eu à croiser, c'est des équipes nettement supérieures à nous. Si vous prenez euh, le Maroc, le cas de U17, et c'est des enfants qui ont joué dès le bas âge. Et c'est des enfants aussi, la plupart, si vous prenez leur feuille, de match avant le match, c'est des enfants qui ne jouent même pas au Maroc. C'est-à-dire que euh, les parents, c'est des Marocains, mais ils ne sont, pas, euh, ils, sont pas au niveau du Maroc. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans les clubs, et vraiment des clubs ou des centres où ils ont commencé dès le bas âge. Donc, vous voyez un peu la, la, différence. On ne peut que euh, jouer et puis euh, espérer un peu euh, limiter le dégât, comme on le dit, parce que quand une équipe est nettement supérieure à vous, il n'y a pas magie à faire. Hmm. Et vous pensez que dans l'avenir, le Niger peut sortir sa tête dans l'eau oui, comme j'ai à le dire, euh, on a vraiment des, jeunes talents qui sont là, en train de se découvrir. espérons qu'ils vont maintenir, parce que c'est ça, c'est le maintien. Si Rally va maintenir euh, et à, progresser, je pense que dans deux ou trois ans, ils seront comme les autres qui ont commencé dès le bas âge, qui ont vraiment euh, appris les béabas du football qui sont là. Donc ils peuvent mieux apporter pour, pour l'équipe pense que euh, d'ici là, hein, d'ici là, parce que le football, c'est, le football, c'est, c'est, un sport de masse dans un premier temps. Et quand il y a beaucoup de gens, et ça, ça influence, tu as, tu as le choix de vraiment faire euh, euh, le meilleur choix qui est là. Mais quand c'est limité, des fois, tu, tu es obligé de faire que avec ce que tu as. Donc c'est pour vous dire que ça va aller petit à petit on espère, hein. moi, moi je, suis confiante que ça, va, ça va aller. Voilà, euh, c'était la Hapsatou Raboumato. Elle est entraîneur de l'équipe nationale féminine MENA U20. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Euh, c'est nous, Abiba. Merci, Gourouza. À bientôt pour euh, une autre page sport. La semaine prochaine. Place au portrait du jour à présent. Oui, c'est non. Aujourd'hui, les portraits nous amènent à la découverte de Fatih Hamidou, une mère de huit enfants qui réside à Niamey. depuis le décès de son défunt mari, il y a de cela dix ans, Fatih est devenue griotte professionnelle. Une activité qui lui permet de subvenir aux besoins de cette famille dont elle a désormais la charge. Voici son portrait réalisé par Oumu Oumarou. fati hamidu amantikal waibor gasar no kan kurnye tegisi asinda kal iza hakku za kurnyo tegisi ka songo jiri waide dandine kan agoga ceci hankanna zanka alatu mai wajaranda jaranda fati aginga gesarete bataido amadu hanka ga muradu ferinda fahaman diyan ne ya kan te irse a wani bafuna bu ayo yi ai sentin da kati ti ai koi batu dono jasar kursinu ina sai muka ka sabu hande ga sabi ta binda za hande so wallahi man mata ne wallahi inir koy sabana ay ga warai sa rai kan gonya mai da labu ne ra ir dai mino lomar ay wundu ko abu ay ya bu yan banda nay furara iza hakku ne hai wanda ke dai no nay dangara ay mana tubu fa siyasa dai nay go ga te abinda wallahi duwara ir mar barka dan tudo dai nay go inai se man sabu ko borfo nay se tunga tai abinda kai tunga tai hande nay du zambar ci ay yanga dai no ya wallahi har kasara nay go gonwa arana ga ngwara anaga ayo aan kaystay furaara janga inogayga ay sindhaadayna ase inay furo so ay wadaygan darururubum walayga fataara o zamger satare wasu duni ayiwo ai dai danga gini ta taken tara na ko kai gogati yar mu fo wato da ga ino kaka ma sai anan wodin kai te sai wallahi inga sai no ai mo ne wallahi ai sinda ai sai mata kai ga te ai gogo to satara na go ga ino ir koy mar barka da ikurga wallahi wato mo yango na ma so kar suru musu musa dai ni go go to amma wato bore ga pakar sam nyai sai ya fo ba fo sai ga pakar ga di bora ko har kwarfo wallahi ga koi ga kyar zura ma so zuri yan sin adawi yawo amantikala fati gorka sinera afu agoga fati zuga da mataka gotan gamda amadu ga almiyarai jaranda da wakan borai goga nasi fatima tun ce mai kokari tana kokari kwarai maroƙiya ce tana kokari don ta rike ƴaƴanta fati kai ba ta matsa ba irin maroƙan nan ba da kana da baka da su matsa maka wa ka ba su gobe sun ganka baka ba su ba habaici da waye da kuma fati ba haka ba wata ce mai kokari masha Allah maroƙiya ce amma ba irin waɗancan maroƙa ba fati ita aita daban ce fatiwo gesattarai goyo ka gote ka kaman tubinga wani kayega agoga du ga muradu feri ga zankai da. wato jasa tara da son wani man tafu amma wato jasa tara an kasa yin da so man tafu son borai ka man tigasar yanga yi go fura wato bin da da man tigasar ne ste gasare zama jasa tara wora ai wo bene bene ayi ai la. kai furji bene bene mu? wallahi muradu kuti. zama satar hannai kai gabai wallahi kunni ya taisi hazi hannai kai gabai ai kunni ya taisi fati hamidu Voilà, c'était le portrait de Fatih Hamidou réalisé par Umu euh, umoru Un dernier tour en musique avec euh, ce titre Donei Nogakanou de l'artiste Mamoudou Walam. ningaliyo garaba kaine ningaliyo biba baba ndai zang tajei maganu ndai zang tajei maganu wa kayan wannan fafaika izhin mo magirbi kai ai bunno boga haga bunangaliyo biba baba marjanga haji wala si sai jamma kunye walla ɗaɗa biɓe jaaɗi walla ɓenomallo hamani lasare nayiyo koya sofere limago yaaɗi mboɗo kindo ɗuga tema kindo moɗuga haw jam gunnigarijo harunna wiɗangayasanera imi kimo wayi ñangaise jahaɗo sindanani gama laabiga ando sino wiyando jiibi yilla wahijo ne corane sannoga kunguganda wi haykulu sina ɗeyno jam <laughs> ka gaba dukai ne wi somnai saga haru somnai moto waraza kai Mola ne bibi jadi, baso ne bibi jadi, dai Mustafa bibi jadi, Aliyu biba baba, wafon ne safi goka. wa fonnai sabigo ka tintilmai wala kurana kai wai kindo mai ji bagada da magoro nyongosi jalagoja walla solla arun naga baga ganu arun naga baga ganu सातर कम्मन को बासे ही जे फरका मजंती कई नोडी आ hatil wagiyo wisunna faadi kunye da jara lima kunye wala dada gambi kunye ah, aliyu garaba kaine na magaso ise bai bayan mun lo hamani mamani ganda sunna kuna sanda tawaye tawaye ka

ndai budala nai akwaiya mana mali fa wa da wal korau fa wa da wal mammana fa wa da wi hama kula kan ga kanu wi kan da masin da wadu bi baba wai da dara mariyo wai da dara mariyo wakanna motoro gudi kuri nyoma sidiri ga mohoru jamu dai mamudu zara maganda dai mana gane kwaya wisa gaga guli libore wisa gaga guli libore ba mohono bora ganesi walkolla ga tinniniga sayri walla kuuɗa kinniniga sayri wi saganaga farta dey soboranoga lala jam ka madallangalangajiɗe wi jarangalangajiɗe jaraga lima hiiji aymana salima kurñe de sisey jamma kurñe ma kurinye wundini mana tallu kala tallu amana min ni ai charwo ai binayo ai ba ko wana binayo dai zalli jo haruna bore cindo duga tema cindo mo duga hau jamu Voilà, chers auditeurs, c'est sur cette belle sonorité musicale de Mahmoudou Walam que nous accueillons les femmes du studio Kalangu pour leurs sages conseils sur des sujets en rapport avec notre quotidien, à travers des thèmes touchant la vie socio-culturelle et économique du pays. Aujourd'hui, elle aborde la question de naissance des filles qui jusqu'à présent est mal vue dans certaines familles. Écoutons-les. Lottie. Lottie. Lottie. Así vamos, Barka madam, barka madam, zuwa gurnaran gari. izowai bornaranga izowai bornaranga hamsa hamsa ni sigmano hayi hamsa he hmm, malhana ise kiro ai gode la sabu kuku foyen rano la sabu kwai ne wani wasu bogini ga hamba no sifa masidin yankan gunda no ga ni hima ga mo ga haikulkan ga hingin bin saga ifo mbuno gogin bin saga ya cino hmm, ni di son dai loktor kwara kayan tano ya ay kuegte ecography loctoranaise kan izuwaibarai zanaigodu ah masha allah wani wo gwamni nome irkoi beri izuwai borai su ne irkoi beri wallahi ai kyora ai gocin sin gafa dimbai matakan cinno ai binora ai gaba imine hunkuna ai gwanda wai borai zi amman kai to ifo dai no gogin bina sar ya cinwa wal mako ni ne sin da bani hmm. ni bai kan hadde aina gundo hai izuwai bartakin tanoya kwai ne ai kurnya mu goga batuno ai mudu iz alboraisi son ai si babai mutukan ai kwai sanno go kiyasida sanne okul ka gani go siga faham da hai kulnu ha <laughs> ni bai ai fuko yo manne kala hadda ai aini wai boraisi hai hino kwai ne kula ga tai sai wacce wadin ma ga sai ni di asino dai turi kan ga safar laabowra ka ngai manhan yadin mono ai wani beri fona yaamar marda kan igihin ga sai baban di kan gado iza alborize amma ni di hankan irkoite hey ni ga bani min bonu wi nin ni ko ciya haba haba ni lakkal kanandi di irkoise ha nan me he ni sibori ko ni wani agihin ga kan de masala ni wani gundawo ba kwene dinga ba emci ni sai haifo ni kunye sanni yan daina ga te daman a gwandin ga niya kan ga wanda fo sambu ifo no ni ba gane da niyya hagino kan loktar be gane la sabu te yabo kwene ga banin faham da haifo alborano ga te sabili kan ga nan wai boga du izi wai boraize wal iza alboraize ya dinga musu bani lakkal tunandi hayai wodu mi maga nima duba fo gona ki him gidi da tali ingano mantinin wala kiro ome ga ni ci kwai ne da alborno walwai boreze box bai bon kanga te iza albarkante ay gisalan ni kunyi se tinai no ase amin lakkalai kanandi hayai wodimi bon walmo bogai kan so bai gisalan gane wai borano gonda tali dadu wai boreze walmo dadu alboreze bobo pironigi cim dimbai matikan ana alboreze duyan dan ingi binara wadin no goganan bumbo inda wani gora goga sandi girbi bandayo wai boreze wala alboraisi ayya ikula kula fo aido ai barai mancin da yana fayanka fayanka da ira madalla wani ingnoti haira gwaye sonni lakal kanan di hawo kai nufu <laughs> aya kulga ma isa sabu ce koyya <laughs> irkon tai hannu du studio Kalango dans notre rubrique culture linguistique du jour. mine Ouachar va nous édifier sur les mots aimés en tamashek. Bonjour. Bonjour Abiba, bonjour Seno. Bonjour Alamin. Les mots aimés en tamashek. Voilà, المعنى antara. Tara tamosa arati على تيجلان فلسفتين مرن dit Tilletara تلي Tilletara dit تطي. Tilletara المثال نتملك غرات الطفارة تينا فوسنك يعني شيلات نها مدي موتا مدي شيلات نسن ده غادي ترى اه ترى انت ترى تيتا قويدنية ودين تستوى انه ترى تاتل المعنى ترى تستوى انه ترى تستوى انه دغاوة لنا ترى ورتتكسا ولا مكسنا استجورتك ورتتكسا ولا الفقيدة دغدي المعنى نيت سوكا أرتنا قوتني في الأساس لا ويدن كل ويسان المعنى ترى سناسا أرتا تموس إسا تدوي دن دغا الظاهر إسا تدي سنمود إسا تدي سشغل إسا تدي ساوال إسا تدي آه، سمكن دا الصيفتين دا العلامة أقوتني المثال آه، أسيموسا سينو إرات برارتي للصيفتين شين الزيبو إيسا كنو تراتيجي تبراتين سداس تتفو أهدية يعني يتتك فراتيا مدي قاسا لغة مدي قاسرت إموسن تمتوكوي تسيتدتاس إيرتتسا كنو داسي تغادي فلقنا ويقنان ترى ورنسينا ما تنك مرة تتمنى كترى تنزم من تنورسكي تلسكي كورجي ترانكاية انت يقلنغا بمرة أه، دغم ردا أدنى انو ترى بس تيوت الله سمك واس توت الاستزاد فلا سمر تقول إيسا هدا فلارتية لا تناسي سي هدا فلكايا ما غي سي هدا فلزرف ما دا سي هدا فلالصد ودي غاسة دغا أمك وسط النبي صلى الله عليه وسلم تحابو أه، بينكم بالحق يعني نمرة تجري ونستيجد التيرا غوي دان غريك دالله ورقتو توتيرا فلا ويلا مدى فلا زرفنت مدى فلا الموتانت مدى فلا هنت مدى تيرا قو فلا اس انت اكتغمر مدى الى مروان ترز دا غادي ترى تنمر دا توتلت تشمنت تشمنت تسي هدا فلا زرف درزا التغمر دا غادي ورتولت تندا تاواس artawaddi gammadanimaan igmadduwul irdaan ardeedirim tardeediri irdaadiris irdaadiris artuwa intaat moos intay moosan taraatantid ege suurtola tandaatawa ومرة النصر كمان بيتو وستريتو تجاغيا عليك يدو تقل ترتن النبدا ترتن النبدا كود نرى دو تقلنا وردو تقل فلا سا الزمان الدي وهنا وينا صارت كل مردي سي سيهدا فلا أزرف إيه سيهدا فلا رزق فلا سزلادا أوي دانا دغست سوادا أداست جدا ترست سوادا نغال حالة تاته ورتود ميغاسي فراغ دا كيك نرد فراغ دا كيك دوغتا دوغ ما دي فراغ دا كيك ما دي فراغ دا كيك ما دي يكن وراتيين يفامينك ودي ودزا تقاه ترى تزا تقاه ويدن ودغتود ميغا Merci euh, Alamine. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir euh, euh, d'explications en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un mot au 82 89 89 64. Il est temps pour nous euh, d'écouter nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Assalamu alaikum Studio Kalangu muna jin daɗin labarunku a biskan layin na rediyo da margu FM ina gaira mutanen tanta kuwa da kuwa ni ne Ali American tayar a tani karce Sahara. Assalamu alaikum Studio Kalangu ni ne dan gaya daga nan tani Taylor Ali ina gaida Hassan ina gaida Ali ina gaida Raswan. Aima Maryama Madan Sulaikan Gosa Zongo. Liga hangan ise gumo zama labari yano kan iga borno bon ferai surtout barai kan sinda hina tele wane dinga hangan kalongu ni du labarai markano igo zurgo winda an dunya bon kan manti tari da wane dan ken gonde rajani gudu albahari ni kina moban kina da zarma sannino kina kul kan no ni ma da no da fulan sannino ni kina bon din hangan ige kina itte kalima toni wana kan ga ni ga manin faham ga haikan go ga te bahara ya kan to ngokir ga bai mete dai mutan tangir se way barai se jiro ki te talata bo zamiro wai baryanno ere muduga famda markanno andu ñami sawi kodi nder ga badirgo du jour foka ka ton ton sey a talataga imi iga ton ton way baray si juro bon zamago bori gum gumo a gonde bon fera ir way baray si Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Nous sommes à la fin de notre émission Les Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Ali Munkaila, Ouseni et Habiba Ahmed. La technique était assurée par Amina Hassan et Moussa Hassan, notre chef d'édition. Oui, chers auditeurs, ne ratez pas l'actu de jeunes et tous à la FADA samedi et dimanche à partir de 17h sur nos radios partenaires et notre site et sur notre site web le www.studiocalangou.org. Bon début de week-end à tous. bye. bye.